le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse est notre rendez-vous hebdomadaire avec euh, nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du Forum de la presse d'aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, nous revenons sur cet accrochage du 6 octobre dernier à Dogonkiria, dans la région de Dosso, entre des forces de défense nigériennes et des hommes armés non identifiés. Au plan économique, le projet de loi des finances 2020 a été présenté mardi à l'hémicycle. Nous discuterons du budget de l'État arrêté en recettes et en dépenses à 2266,15 milliards de francs CFA, soit une hausse de l'ordre de 108,84 milliards par rapport à celui de 2019. Enfin, nous terminerons par la conférence internationale sur le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique qui s'est tenue à Niamey la semaine dernière à l'initiative du National Democratic Institute, NDI. Pour analyser ces trois faits de l'actualité, nous recevons nos confrères et concerts Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Euh, Maimouna journaliste à la radio et télévision Tambara. Ah, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Rufai Dandoua et à la présentation Alassane Kouzi Mohamedou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 11 octobre 2019. Nous l'ouvrons par la situation sécuritaire au Niger. Deux attaques en moins d'une semaine dans le département de Douti, région de Dosso, le 6 octobre dernier. Un accrochage meurtrier s'est produit à Bogou, non loin de Kiria, dans la région de Dosso, entre des forces de défense nigériennes en patrouille et des hommes armés non identifiés. Le bilan officiel fait état de deux soldats tués en et cinq autres blessés et le, 2 octobre, des hommes armés à moto ont attaqué une patrouille militaire à 9 km de Dogonkiria, incendiant un véhicule. Euh, Maimouna Diado, euh, bonsoir. Bonsoir. Quelle lecture faites-vous au sujet de ces deux attaques qui semblent avoir les, euh, en tout cas qui semblent avoir été commises par les mêmes auteurs je remercie d'abord la radio Kalangu pour m'avoir invité donc dans le forum. Mm. Alors, ce que je pourrais euh, dire par rapport donc à ces deux attaques euh, de Dogan Kiria euh, dans le département de Dogandouki, c'est il faut d'abord déplorer ça. Il faut déplorer parce que il y a eu des pertes en vies humaines. Alors, ce que peut-être on peut retenir également, c'est que les deux attaques étaient vraiment proches. Et il faut également noter que je, la semaine passée, juste 48 heures après le départ euh, du président donc du PNDS Tareya, mm. Bazou Mohamed, qui était dans cette zone. Il mm. était pratiquement également à Dogan-Kiria. 48 mm. euh, heures après son déplacement de Dogan-Kiria, qu'il y, a eu l'attaque. Euh, la première donc euh, attaque où il y a eu euh, deux soldats nigériens tués. Donc on ne peut peut-être dire qu'il y a peut-être un rapprochement également entre qu'on pourrait faire qu'on pourrait faire entre la visite ou bien la tournée de ce président dans cette zone, dans cette zone et également l'attaque dont aurait été qu'aurait subit donc euh, nos FDS. Et je pense que également euh, ce que on nous rapporte euh, tous les jours que c'est également un endroit, un lieu où les assaillants profitent donc pour faire passer des armes et, et, autres donc euh, arsenal. C'est-à-dire que c'est, il y aurait une sorte de passage de passage secret, de passage secret. secret entre euh, bien sûr Dogan Kiria et qui va vers donc le Nigeria. Mm. Donc c'est vraiment une zone à risque. Et je pense que donc c'est à déplorer mm. et peut-être que également, euh, ne serait-ce que la vigilance également de nos FDS, il y aurait plus de morts, plus mm. que ça. Mm. Et donc euh, voilà ce que moi je pourrais euh, dire par rapport justement à cette attaque, ou deux attaques de Dogan À moins d'une semaine. Voilà. Mm-hmm. Hassan Boukar, vous avez également suivi ces, ces, cette situation dans la région de Dosso, département de Douchi, deux attaques en moins d'une semaine pratiquement dans la même localité de Dogan-Kiria. Oui, bien sûr. Alors, une des questions qu'on se pose, euh, c'est euh, est-ce des faits euh, isolés par rapport à l'environnement de sécurité globale qu'on vit dans ce pays en particulier ce qui se passe aujourd'hui chez nos voisins du Sud, mm. puisqu'on connaît déjà ce qui se passe le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, notamment du côté de la région de Maradi, mm. avec toute cette instabilité qui sévit depuis plusieurs mois, qui a entraîné d'importants déplacements de personnes euh, du Nigeria vers la région de Maradi. Mm. Alors, est-ce le prolongement finalement de ce qui se passe de l'autre côté, ou alors euh, ce qui est expliqué euh, maintenant comme étant peut-être une zone à partir de laquelle il y a un transfert d'armes euh, vers euh, d'autres d'autres zones, vers d'autres groupes terroristes. Mais dans tous les cas, euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. la zone de Douti est peut-être une zone centrale dans notre pays. Euh, le pire serait qu'il y ait un foyer aussi d'insécurité dans cette euh, dans cette zone. Mm. Euh, ce qu'on vit déjà le long des frontières avec le Mali, le Nigeria est plus à l'est dans la région des Difa, peut-être aussi là sur la zone frontalière avec le Burkina, ça a déjà déstabilisé beaucoup de mouvements de personnes, ça déstabilise localement l'économie. Alors si un autre foyer s'est créé dans cette zone. Je pense que c'est une situation extrêmement dommageable pour, pour notre pays. Mm. Donc euh, là, je pense qu'il y a quelque chose de surprenant pour tout le monde, puisque ce n'est pas une zone qui est traditionnellement proche des foyers que l'on connaît. Mm. Et donc du coup, je pense que pour les pouvoirs publics, c'est important de connaître davantage qui sont ces groupes-là d'où ils viennent, quelles sont leurs intentions, de façon non seulement à sécuriser la zone, de façon à faire en sorte que si c'est des groupes terroristes rattachés à tous ceux qui écument un peu dans le Sahel et tout ça, c'est de pouvoir prendre rapidement des, des, des mesures. Donc euh, mm. malheureusement aujourd'hui, dans le contexte sahélien, il y a tellement d'acteurs, tellement de groupes terroristes. On ne sait pas qui appartient à qui, à quel groupe. Euh, et puis, et puis euh, je pense qu'il y a des zones, des régions du monde où les attaques sont tout de suite revendiquées. Là, euh, il y a des moments où ces attaques ne sont pas revendiquées du tout. Du coup, on ne sait pas à qui on a affaire. Et donc, mm. je pense que les pouvoirs publics doivent investiguer davantage pour identifier ces malfrats et puis prendre des mesures pour euh, les, les, réduire. Quoi. Euh, alors, justement, vous avez rappelé un peu cette insécurité qui grandit, notamment au niveau de certaines régions qui jadis en tout cas n'ont pas cette insécurité. Vous avez évoqué le cas de Maradi, notamment cette localité de Gabi où on a vu en tout cas des populations qui sortent même pour, pour en tout cas euh, montrer leur cri de cœur par rapport à une insécurité grandissante qu'ils vivent. Euh, on a vu aussi, euh, déjà on connaît la région de Tilaberi et les mhm. différents, en tout cas qui sont sous les faits et maintenant Dosso comment euh, analyser de façon globale l'évolution de, de, cette situation sécuritaire dans nos différentes régions Je pense que c'est, c'est, vraiment une situation très très inquiétante. Pendant longtemps, on disait que bon, le Niger apparaît comme une sorte d'îlot de stabilité, de sécurité dans un espace sahélien dominé par les conflits. Euh, si on regarde un peu dans notre voisinage, c'est euh, cette euh, guerre qui ne finit pas en Libye, totalement déstabilisée, manque de pouvoir central, le Mali qui est presque divisé entre le nord et le sud, le Nigeria avec Boko Haram, tout ce espace du lac Tchad, etc., mm. euh, la frontière avec le Burkina. Donc, on est pratiquement prisonnier de ces différents foyers de tension. Alors, pendant longtemps, euh, les autorités aussi, je crois, ont, ont fait passer ce message hein, selon lequel euh, le Niger a su être vigilant, on a pris des mesures qui nous mettent finalement à l'abri de ce que subissent nos voisins. Mm. Mais on voit aujourd'hui qu'il y, euh, y, a beaucoup de, de, de choses qui laisse euh, euh douter. Euh, est-ce qu'on échappe euh, finalement Alors, on peut douter de, de, de l'avenir hein, parce qu'on s'est dit, lorsque la pression est forte, si elle vient de tous les côtés, c'est quand même extrêmement difficile. Mm. Et surtout à un moment où le Niger prépare des, des, des, élections, c'est c'est quand même des moments importants dans la vie d'un pays. Mm. Alors la pression telle qu'elle s'est faite dans tous les sens, euh, et, et pour notre malheur, on ne voit pas euh, là où cette crise est forte, on ne voit pas de début de solution ou on ne voit pas qu'elle baisse en intensité. Et donc, dans ce contexte-là aujourd'hui, on peut se dire combien de temps le Niger peut tenir. Hmm. On a déjà subi beaucoup de pertes en vies humaines du côté des FDS, des populations déplacées, une économie totalement affectée à Difa, à Tillabéri, etc. Alors, on peut se demander combien de temps euh, on peut tenir et je pense que quelquefois on peut douter de l'avenir. Maimouna Diado, on peut se demander combien de temps le Niger peut encore tenir face en tout cas à euh, toute cette, instabilité, cette insécurité. vu la menace donc de cette insécurité, euh, comme il vient de le dire à l'instant, quand vous voyez des tensions au niveau donc de, des frontières comme le Mali, les frontières comme le Burkina Faso, frontières comme euh, Agadez n'est pas ouais. aussi avec la Libye. Il y a le Nigeria également qui a euh, sa frontière avec le Niger menacée. Mm. Je pense qu'on ne peut pas tout de suite tirer euh, le fait que combien de temps le Niger peut euh, faire face à cette insécurité. C'est qu'il faut tout simplement demander euh, ou bien décrire le fait que peut-être nous sommes en train d'aider d'autres pays alors que on en a plus besoin. On a plus besoin que nous-mêmes nous nous aidons. Que nous nous sécurisons. Voilà. Euh, je pense que également c'est très important. Aujourd'hui, vous voyez avec cette insécurité, euh, permettez-moi de dire que des mesures, euh, le ministre de l'enseignement primaire mm. a pris des mesures en faisant fermer des écoles. Plus de 100 écoles dans la région de, de Demain, ça sera quel tour Ça sera peut-être Dogandouchi, ça sera peut-être euh, euh, DIFA qui connaît déjà l'insécurité ou déjà il n'y a pas assez d'écoles aujourd'hui euh, qui fonctionnent. Je pense que c'est pas des mesures comme ça qu'on devrait prendre parce qu'on ne peut pas également laisser à cause de l'insécurité des certains certains élèves, certains Nigériens ne pas en tout cas bénéficier de leurs droits. Mm. Et je me dis que ce qu'il faut faire, c'est peut-être euh, rester, réfléchir, regarder dans la même direction, comprendre où est-ce que la menace, d'où est-ce que la menace vient. La menace, aujourd'hui, on ne peut pas la situer. On ne peut pas situer la menace parce que tantôt, c'est des djihadistes. Tantôt, on est envahi par Boko Haram. Tantôt, on ne sait pas encore de quel... Euh, on parle aussi de euh, trafiquants, de, les, trafiquants les trafiquants sont un peu partout parce que quand on regarde peut-être au niveau de Douchi, euh, Dogan là il se pourrait que c'est des trafiquants, en fait. Parce que mm. c'est là-bas que les armes euh, ils font passer les armes. Mm. Donc ça veut dire que là, on peut dire que comme ça n'a pas été revendiqué, que peut-être c'est des trafiquants aussi. Donc voilà la situation mm. actuelle. Mm. Donc ce qu'il faut faire, c'est sécuriser nos frontières, nous sécuriser nous-mêmes et éviter surtout euh, de faire passer certains messages sur les réseaux sociaux. Parce que les, messages les messages confidentiels, sécuritaires, aujourd'hui on les voit sur les réseaux sociaux où on nous dit probablement qu'il y aura des attaques probablement que Tilaberi sera euh, attaqué, probablement que Niamey, ici, euh, vers euh, la caserne de, de Tondibia sera attaqué. C'est des choses confidentielles qu'il faut les garder. Il faut pas les faire... Et peut-être préparer une, une, une, réponse. oui, une réponse par rapport à ça. Bon, moi, je me dis que si aujourd'hui, nous, nous sommes en danger, parce que si on consomme, on voit sur les réseaux sociaux ce qui se passe, que des trucs confidentiels de renseignement se trouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais l'ennemi ne peut que s'en servir, que l'utiliser. Donc c'est à nous maintenant de prendre nos précautions et également demander à l'État de mieux sécuriser nos frontières. Bien. Nous donnons la parole à Rufai Dandoua qui vient de nous rejoindre. Euh, Rufai, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, nous sommes sur ce sujet. Deux attaques en moins d'une semaine dans la région de Dosso, euh, mm. notamment euh, à Duti, Dougon Kiria précisément. La première attaque, c'est le 2 octobre avec des hommes armés à moto. Euh, et euh, la dernière, c'est le 6 octobre, donc avec euh, en tout cas deux soldats tués et cinq autres blessés. Comment vous analysez cette situation oh, je voudrais cette par, Par, là où Abba s'est arrêté quand il parlait de jusqu'à quand on va tenir. Je pense qu'on ne tient pas. Jusqu'à quand peut-être la question qu'il faut se poser, jusqu'à quand on va tenir Niamey Puisque pourquoi, par exemple, on voit que eh, Burkina Faso est en insécurité C'est parce qu'il y a des attaques à Ouagadougou. Nous, jusqu'à présent, Dieu merci, on arrive à, à, à tout arrayer. Niamey n'est pas encore touché. C'est pour ça qu'on pense qu'on est un îlot de paix. Mais en réalité, euh, quand, vous dites aux gens qui vivent à Tilaberi, quand vous dites aux gens qui vivent à Difa que Niger c'est un îlot de paix, ils vont vous gifler. Je, parle sous le contrôle de Abba qui a l'habitude d'aller à Difa et qui est de, de, la région. Et euh, très récemment aussi à Maradi. Tu, ne peux pas dire aux gens de Difa que le Niger est un îlot de paix. Tu ne peux pas dire aujourd'hui aux gens qui sont à Telaberi, à toutes ces ONG qui ont fermé, à toutes ces écoles qui sont fermées, à tous ces enfants qui ne partent plus à l'école, que le Niger est un îlot de paix. Non, on arrive à tenir Niamey peut-être parce que Niamey ou peut-être aussi c'est parce que Niamey n'a pas été attaqué que ça ne donne pas euh, cette impression, de, cette impression que, y a, que nous sommes en insécurité. Mais quand vous voyez par exemple au, au Burkina, c'est parce que on a touché un moment euh, le le, le, le, l'avenue Kwame Nkrumah. C'est pour ça qu'on a commencé à parler d'insécurité à Ouagadougou. Mais sinon pour les autorités, jusqu'à ce qu'on attaque la capitale, le cœur central, le poumon du pays, les, gens pensent que non, nous vivons dans une sécurité, et une bonne sécurité. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que pour ce de, de, de, de, la source le président l'a dit la dernière fois, ça a créé polémique au, Mali quand il hmm. disait que Avec tout, vient, de Kidal. vient de Kidal. Hmm. Donc, quelque part, on a comme l'impression que les autorités arrivent à comprendre où se situe le problème. Mais maintenant, comment euh, trouver des solutions à ça C'est à cette question qu'il faut euh, qu'il faut s'attarder pour trouver euh, le nœud du problème, puisqu'aujourd'hui, oh, personne, aucun pays africain si puissant soit-il ne peut contrôler ses, ses, frontières. Toutes les frontières sont poreuses aujourd'hui. Même le Nigeria, même l'Afrique du Sud, même si bon l'Afrique ce n'est pas le cas. Quand vous prenez le Nigeria, si géant soit-il, ne peut pas contrôler toutes les frontières. Et malheureusement ou heureusement, on a 1600 km de frontières entre le Niger et le Nigeria. Voyez-vous, Boko Haram se trouve dans ces zones, à chaque fois eh, vers Madarumfa, à chaque fois vers Difa, un peu partout au Niger aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. À chaque fois, il peut y avoir eh, des attaques. Mais ce qui, moi, ce qui me cœur, c'est que c'est toujours le même mode, opératoire et on n'arrive pas à trouver de solution à ça. Euh, alors, euh, euh, Dosso, vraiment, les gens se posent des questions aujourd'hui que euh, qu'il y ait des, attaques du genre à, à, Dosso. justement, donc c'est ça, ça, rejoint ce qu'on dit que n'est plus un nulot de paix. Mais Dosso aussi a des frontières avec le Nigeria. Le Nigeria n'arrive pas à le Nigeria n'arrive pas à sécuriser ses frontières. Et nous, on pense que bon, c'est Dosso, ça ne peut pas parce que c'est à côté du Niamey. Mais c'est arrivé à Tilaberi, c'est arrivé ici à Mangézi, tout proche, même pas à Tilaberi, à côté. Donc c'est pour dire que on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui encore, quand vous sortez de la ville de Niamey, à partir d'une certaine, à partir de 21h, 22h, vous sentez qu'il y a une sorte de psychose qu'il y a parce que partout vous voyez les forces de défense et de sécurité qui sont là, qui arrêtent les gens pour faire des contrôles. Ça veut dire que quelque part il y a quelque chose. Mais bon, Dieu merci, avec euh, toutes les prières, on, peut remercier Dieu avec toutes les prières, prières que les gens ont fait, avec l'unité encore qu'il y a dans le pays. On pense qu'on qu'on arrive à à, à juguler cela, mais jusqu'à combien de temps Niamey va tenir, là on ne sait pas. Il faut prier seulement. Bien. Alors, euh, au, plan national, j'ai l'ai annoncé en début d'émission, le projet de loi des finances 2020 a été présenté mardi à l'Assemblée nationale. Le budget de l'État est arrêté en recettes et en dépenses au montant de 2266,15 euh, milliards de francs CFA, soit une hausse de l'ordre de 108,84 milliards de francs CFA par rapport à celui de 2019. Comment comprendre cette évolution euh, progressive du budget national euh, chaque année, euh, Rufai Et on a parcouru, comme presque tout le monde, certains pans du budget quand par exemple on, on fait comprendre que eh, la priorité c'est l'éducation au Niger, quand on fait comprendre que la santé est, la priorité, on voit le budget. Moi je me demande eh, ce qu'on appelle priorité. Quand par exemple vous, vous voyez eh, le budget du, ministère de l'entrepreneuriat de jeunes, le, la jeunesse qui est au cœur du programme de la Renaissance 1 et 2. Aujourd'hui, quand on voit le, c'est vrai, et il faut aussi qu'on explique aux gens, ce n'est pas le ministère qui va prendre de l'argent pour donner aux gens, mais quand même quand on voit le, ministère, le budget d'un ministère qui, qui, ne dépasse pas 50 millions, je me dis autant et dissoudre ce ministère et, le faire en sorte que ça soit une direction dans un ministère. Sinon, à quoi elle sert euh, quel genre de dossier on peut ficeler avec 50 millions Vous voyez qu'il y a beaucoup de matière à, discuter. Mm. Le budget de la santé aussi, on greffe sur le budget de la santé, sur le budget de l'éducation, pour eh, augmenter sur le budget, par exemple, de la présidence, juste pour sécuriser le président C'est vrai, on doit sécuriser le président, mais il ne faut pas que ça, soit du tout sécuritaire à, tout moment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Bien. Euh, Hassan Boukar, euh, on a vu que, en tout cas, depuis euh, pratiquement deux ou trois ans, euh, le budget de, l'État évolue chaque année. chaque année, il y a une, hausse. pour ce qui est de cette année, on l'a soulevé tout à l'heure, c'est 108,84 milliards de CFA de différence par rapport au budget de l'année 2019. Comment expliquer cette évolution progressive mmh. Merci. Je pense que c'est plus que trois ans. Hein. Pendant longtemps, il y a quand même une évolution. Euh, le budget va voilà, le budget va crescendo mm. d'année en année. Il y a une augmentation. Alors théoriquement, ça peut laisser croire que le gouvernement mobilise plus. Théoriquement, j'ai dit bien, mm. euh, mais il faut le rapporter à pour un certain nombre de montants annoncés, qu'est-ce qui est réellement mobilisé et exécuté. Euh, ça peut vouloir dire aussi que euh, les partenaires de Niger deviennent peut-être plus généreux, puisque une partie du budget est quand même financée euh, par, par, l'extérieur. Mais à mon avis, il faut, faut regarder au-delà des chiffres. Parce que ce qui est important en matière de budgétisation, c'est qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres, quelle est la politique que ces chiffres traduisent. Parfois, le passage d'un budget à un autre euh, avec euh, plus de ressources. C'est simplement une question politique. Hein. Mmh. Euh, il hein. y a des mois où on aurait pu avoir des budgets moins importants parce que l'exécution n'a pas été bonne. Mmh. Et donc le réalisme veut, puisque quand même la notion de budget réaliste est une notion forte en matière de budgétisation, mmh. le réalisme veut parfois qu'on qu ait un budget moins important que celui de l'année écoulée. Mais euh, c'est aussi des considérations politiques parce que le budget est quand même avant tout un outil hautement politique entre les mains d'un gouvernement. Donc pour moi, le plus important, c'est euh, si on a plus de ressources, qu'est-ce qu'on fait Je pense que Rufai, l'a évoqué. Par exemple, si on passe euh, à 2266 milliards, comme annoncé, est-ce que ça fait plus d'argent pour l'éducation ou non Est-ce que ça fait plus d'argent pour la santé ou non Mais au-delà des chiffres, euh, entre deux exercices budgétaires, les besoins en matière d'éducation ou de santé, comment ces besoins ont-ils évolué est-ce que les besoins demandent plus de ressources hmm. Est-ce que les ressources allouées sont proportionnelles aux besoins, etc. Et donc, le plus important, à mon avis, au-delà des chiffres qui sont annoncés, c'est derrière les chiffres, quelle est la politique euh, qu'on puisse lire hmm. et quels sont les choix euh, par rapport au secteur social qui intéresse beaucoup de gens. Euh, si on évoque l'éducation, la santé, ce n'est pas par hasard. On, sait que c'est des domaines qui intéressent tout le monde. On sait que c'est des domaines dans lesquels il y a énormément de défis aujourd'hui, ouais. défis liés au personnel, défis liés à la qualité de l'éducation. Et donc, la question de fond aujourd'hui, c'est euh, comment on prend en compte à travers le budget la question de la qualité de l'éducation Comment on prend en compte la question du personnel Est-ce que on augmente, par exemple, les dépenses de personnel parce qu'on veut avoir plus de personnes Est-ce qu'on l'améliore en qualité mm. en rehaussant les niveaux de gains individuel de chaque euh, acteur de l'éducation, de chaque enseignant, etc. Mm. Quel est le type de choix qu'on fait Par exemple, ou euh, euh, la question de la dette aujourd'hui. Il fait un moment où on avait une enveloppe dédiée à la à la dette qui était peut-être moindre parce qu'on avait les fonds PPTE qui est une euh, réduction de, de, la dette ou, mm. en tout cas euh, son transfert vers des secteurs sociaux. On a eu l'initiative pour l'annulation de la dette multilatérale, etc. Aujourd'hui, on perd tout ça et on est, j'ai l'impression, ces dernières années, dans un type d'endettement mm. à, court terme à court et moyen terme, qui fait que tout de suite vous êtes rattrapé par le remboursement. On connaît le mécanisme traditionnel de la dette où pour vous endetter. Pendant 5-10 ans, vous ne payez rien. Puis vous commencez à partir de la 11e. Ah, ou... Ah, alors, lorsque vous prenez tout de suite à travers des bons de trésor, etc., une dette sur le marché, vous empruntez sur le marché, vous êtes soumis aux règles du marché et à terme, vous devez rembourser, etc. Et donc, à mon avis, et c'est bien dommage aujourd'hui que quelquefois l'analyse qui est faite au Parlement ne va pas au-delà des chiffres. C'est-à-dire, quelle est l'implication réelle ah, Comment ça affecte, par exemple, la vie des citoyens Regardons ces pays-là. On dit que la pauvreté, à un moment, les chiffres que j'ai en tête, on parle de 58-59% de pauvres. Pendant longtemps, on disait qu'un des rôles du budget, c'est de réduire la pauvreté. Mais quel est le mécanisme Comment, en quoi aujourd'hui le budget actuel peut permettre justement de, voilà. Comment ça affecte les pauvres si on définit une politique fiscale aujourd'hui, euh, avec la TVA sur certains produits de consommation courante, avec euh, une influence de la fiscalité sur le transport, sur l'accès aux produits les plus courants, etc. En quoi, quel est l'impact de la politique fiscale sur les pauvres À mon avis, par exemple, une des choses qu'on pourrait attendre du débat parlementaire, qui est public, et qui est souvent retransmis par les médias d'État, serait par exemple de connaître davantage l'impact de ce budget sur la vie des citoyens c'est le plus pauvres. Euh, oui, rapidement, il faut que les députés qui sont à l'Assemblée comprennent même ce que ça veut dire, ce, que veut dire que le budget, pour eux, le budget, c'est juste politique, on vient, on, l'adopte, euh, on ne sait pas pourquoi ça a augmenté, pourquoi, à, tel niveau, pourquoi ça n'a pas augmenté à tel niveau, Et ils viennent, on vous donne des instructions, vous votez à main levée et c'est fini, sinon quand vous écoutez les, quand vous regardez ou vous écoutez les débats parlementaires, à aucun moment et on ne fait allusion à ce que tout ce que Abba vient de dire. Les gens s'en fichent. Jusque peut-être qu'un ministre va venir, oh, oh, il sera reçu et en commission, il va parler de, son ministère. Et, et là encore, quand c'est votre parti politique qui est au pouvoir, ça passe comme... Vous voyez, donc ce sont tous ces aspects qui font que même quand, quand vous voulez écouter les débats parlementaires, vous n'avez pas envie de le faire. Et même quand vous, quand vous faites du mal à écouter, vous n'avez pas tous ces aspects qui ressortent et qui, qui vont dans le sens de, du, du bien-être de la population. Donc, en fin de compte, le budget, c'est juste pour le gouvernement. Mme Nadjado, alors vous avez également suivi avec euh, <laughs> nous d'ailleurs cette, euh, cette, euh, annonce du budget de l'État de 2020, 2266 milliards, une évolution de 108 milliards cette année. Alors, d'après vous, quelles sont les priorités absolues, en tout cas qui doivent bénéficier des ressources conséquentes de ce budget D'abord, je voudrais dire que un budget, on ne fait pas un budget sans tenir compte des secteurs sociaux de base. Mm. Les secteurs sociaux de base sont les secteurs les plus importants, en tout cas pour le peuple nigérien. L'éducation, la, santé. Aujourd'hui, on peut même aller au-delà de l'éducation et de la santé pour euh, impliquer euh, l'agriculture également euh, l'eau, eau et assainissement. Mm. Je pense que moi j'étais surpris quand j'ai entendu que pour ce budget, euh, ne serait-ce que 60 milliards pour la primature. 60 milliards et 18 milliards pour l'Assemblée nationale. Si on peut éjecter 18 milliards pour l'Assemblée nationale ou 60 milliards pour la primature, pourquoi on ne peut pas éjecter les 60 milliards pour l'éducation 60 milliards, par exemple, pour la santé c'est des choses très importantes parce que c'est des indicateurs. Aujourd'hui, si le Niger, par exemple, on nous classe dernier en indice de développement humain, je pense que c'est parce que l'éducation est en cause. L'éducation est en cause et la santé est en cause. Voilà. Et moi, euh, vraiment, je vois pas ce que peut-être l'Assemblée nationale fait pour avoir 18 milliards. Euh, je ne vois pas, je ne vois pas en fait, je ne vois pas la lutte. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils font des fêtes pour ce n'est pas le sujet. Il a parfaitement raison parce que quand son idée euh, rejoint ce que je veux dire, parce que je vois pas. Euh, aujourd'hui, il y a combien de députés qui, font le tour, ne serait-ce que des régions, pour aller voir ce que la population sont en train d'endurer. Ils sont pas beaucoup. Je pense que c'est parce que tout simplement les médias ont décrit cette situation qu'on a vu certains députés qui se sont déplacés pour aller dans des zones mm. et, revenir pour nous raconter peut-être ce que euh, déjà ce que nous nous faisons, nous savons. Et j'aimerais également peut-être euh, dire ensuite qu'aujourd'hui, mm. que aujourd'hui c'est les autorités, le gouvernement, l'Assemblée nationale, ils sont là pour le peuple nigérien et vous ne pouvez pas partager le gâteau parce que pour moi c'est un partage du gâteau qui se sont ils se sont attribués donc des chiffres ils se sont donnés euh, ils se sont partagés le gâteau 139,5 milliards pour la présidence ok 60 milliards pour la primature. 18 Sauf qu'il faut noter que pour, le, pour la présidence, il y a d'autres services qui sont rattachés à la présidence. On, on, on, ne disconvient pas. Il y a d'autres services qui sont. Mais il faut revenir sur le fait que le président de la République, le chef de l'État, en 2011, avait bien dit que 25% du budget serait alloué à l'éducation. Et des chiffres qui, qui, ce qui, n'est pas fait jusqu'à présent. Encore été parce que, euh, d'après en tout cas, Oui, parce qu'aujourd'hui, ça devrait oui, ça, ça, devrait, ça devrait attirer l'attention de ceux-là qui doivent voter ce budget pour peut-être revoir le budget au niveau euh, de l'éducation. Mm. Parce que aujourd'hui, qu'on fasse une rentrée, excusez-moi, mm. qu'on fasse une rentrée et qu'on donne à des élèves un seul cahier au collège, au lycée et à l'école primaire, je me dis qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le budget là, pourrait être rehaussé pour la qualité de l'enseignement. Le budget pourrait être rehaussé au niveau de la santé, pour les prestations de services de qualité, de soins, les populations. Alors, ce qu'il faut comprendre peut-être, c'est que euh, oh, de plus en plus, on a une augmentation, une, une progression du budget. Et, euh, de l'autre côté, les priorités des, des priorités restent encore, euh, en tout cas, problématiques, précaires et, et autres. Et aujourd'hui, on parle également de la situation de la femme. Comment améliorer la situation de la femme quand le ministère de la promotion de la femme n'a pas un budget costaud? pour pouvoir arranger cette situation. Eh, regardez, juste eh, eh, oui, rapidement. L'année passée, au deuxième mandat, on a dit la priorité, c'est la renaissance culturelle. Le, ministère de la renaissance culturelle a été mis en place avec tout ce qui a pour euh, promouvoir la renaissance culturelle au Niger, le changement de mentalité. Or, à quoi on avait assisté le budget du ministère, en tout et pour tout, ne dépasse pas 100 millions ou 200 millions, je crois. Alors que quand on dit que le socle sur lequel est basée même la politique et eh, du, gouvernement, c'est la Renaissance Je trouve qu'il y a contradiction dans, ce qu'on dit et dans, ce qu'on fait. Parce qu'il n'y avait pas... Hassan Boukar, vous avez levé le doigt, vous voulez ajouter quelque chose C'est oh, oh, oh. Par sur le, budget de l'Assemblée, c'est quand même quelque chose de symbolique. Euh, là, on parlait de, de 18 milliards, mais en dehors de 18 milliards, on ne sait rien sur ce <laughs> budget. C'est un budget qui est quasi clandestin. Prenez le budget d'un ministère, vous avez tous les détails. Enfin, normalement, euh, bon, tout c'est trop. mais depuis qu'on a, depuis deux ans qu'on essaie d'aller vers une approche euh, programme, vous avez les, salaires, euh, tout ce qui va dans les le charges de fonctionnement, etc., Mais le budget de l'Assemblée, il est clandestin. Il était beaucoup plus détaillé. Rappelez-vous, sous la présidence de M. Maman Ousmane, une année, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abus. Par exemple, on avait dépensé énormément d'argent dans la rubrique papier hygiénique. Puis à l'époque, les gens disaient, mais, comment est-ce qu'on a dépensé cet argent-là À l'époque, le budget était lisible, mm. parce que la loi des finances présentait les détails, que ce soit euh, ce qui concerne le fonctionnement des commissions parlementaires, ce qui concerne toutes les dépenses, les missions parlementaires. Les parlementaires. On avait ces détails et c'était lisible. Mm. Alors maintenant, euh, l'Assemblée considère que son budget est une subvention annexée euh, un moment au ministère des Finances, puis voilà. Alors aujourd'hui, ils reviennent un peu, euh, on, le voit dans, en tant que budget autonome, mais en dehors de 18 milliards, on n'a pas les détails du budget de l'Assemblée. J'espère que euh, ça va, ça va. Est-ce que justement, ce c'est pas ces questions que les débats au niveau de l'hémicycle doivent permettre de, de, soulever et puis de d'expliquer. Pour, moi, pourquoi, j'ai dit que c'est symbolique le budget de l'Assemblée euh, Le Parlement est quand même une institution importante dans une démocratie par exemple, euh, la communauté, les acteurs sociaux, les ONG travaillent beaucoup sur les questions de transparence. La transparence, ça passe par la lisibilité de la dépense publique. La lisibilité, qui dit lisibilité, dit tous les détails. Il y a par exemple des, notions très fortes hein, sur le, en matière de d'analyse, de, lisibilité des budgets, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on répartit les ressources, la spécificité des crédits qui sont alloués à telle ou telle euh, ligne, etc. Et donc, il y il y a quand même des choses assez intéressantes qui doivent être lisibles dans la loi des finances. Mais pour le Parlement, Enfin, je ne sais pas, euh, là en 2020, peut-être que ça, a changé. mais en tout cas, pendant longtemps, c'est un budget clandestin. Un budget et, c'est gros, 18 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, on voit 18 milliards, mais on ne voit pas comment est-ce que c'est réparti. Jamais le Niger ne manque à, des rendez-vous eh, extérieurs. Les députés s'entendent, ils sont tout le temps en mission. Et, quand vous prenez, c'est beaucoup d'organisations internationales. Et dans presque toutes les organisations, il y a des députés qui sont rattachés. Imaginez, vous pouvez voir sur l'année, sur, sur le mois, un député qui n'est pas, qui n'est pas au Niger 20 jours sur 30 ou 25 jours sur 30. Alors que c'est le député, c'est un député c'est un député du peuple. Et là pour Donc vous voyez, chaque fois ils sont en mission. Et quand, quand la fin de l'année approche, ils se disent que comme, pour eux le budget c'est comme si on prend l'argent, on dépose ça, on dit 18 000 c'est pour l'Assemblée. Donc il faut le dépenser. Vous voyez, à la fin de l'année, maintenant, il faut trouver toutes les subterfuges possibles pour dépenser, pour dépenser cet argent. C'est peut-être les, les, les, les, fêtes qu'on fait à, tout voir, on dépense énormément d'argent. Or, ce qu'ils doivent se dire que, oui, c'est que, vous voyez, l'éducation qui se distribue, l'argent qu'ils se donnent à chaque fête et les moutons qui ce qu'ils doivent se dire, le budget là, ce n'est pas l'argent qu'on prend pour dire on a déposé 18 milliards. Non, non, c'est des chiffres c'est des estimations. Moi, je ne suis pas spécialiste du budget, mais tout le monde sait que budget, on sait qu'on estime. On estime en, fonction Des recettes, voilà, en fonction de ce qui va rentrer. Et eux, il faut qu'ils dépasse les 18 milliards. Bien. On est quitte à, faire du n'importe quoi. Et c'est ça qui, qui, est regrettable. Pendant que eux qui sont censés défendre le peuple, c'est eux qui, qui, qui, qui, qui, qui, quoi, qui dorment même sur le peuple, si on peut le dire. Nous allons terminer par, euh, je disais, cette conférence internationale sur le constitutionnalisme et la consolidation de la démocratie en Afrique, initiée par l'initiative euh, donc euh, du National Democratic Institute. La rencontre a eu lieu à Niamey vous vous rappelez, du 2 au 4 octobre et a réuni d'anciens chefs d'État et d'experts nationaux et internationaux sur les questions de constitution. Rufaï Dandoua, quel commentaire vous, vous inspire cette euh, rencontre de Niamey sur l'alternance au pouvoir je pense que c'est bon en soi, mais elle ne devait pas prendre, euh, ne devait pas avoir autant de tapage médiatique qu'elle a eu. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est normal l'alternance démocratique, changer et quitter le pouvoir après, et après, après ce mandat. C'est normal, c'est légal. Pourquoi faire autant de, tapage Parce qu'en Afrique, on a vu que dans certains pays, cette alternance n'a jamais été du tout facile. Oui, d'accord. Et, déjà, j'ai suivi la dernière fois, sur, je sais pas si sur les réseaux, nous, qui disait à TV, on a déjà eu de l'alternance démocratique. Ce n'est pas la première fois. Hein. L'alternance, c'est pas l'alternance. Moi, je pense, pour moi, hein, selon ma compréhension, l'alternance, ce n'est pas seulement pour le président de la République. Il y avait déjà l'alternance en 80, euh, quoi, en 93, quand il y avait eu les, les, élections législatives, quand il y avait eu changement de majorité. Peut-être qu'on n'était pas mûr à l'époque pour voir euh, l'impact que ça pouvait avoir. Mais à l'époque, déjà, on était déjà euh, un nain démocratique, mais on avait eu déjà la capacité, même si ça a débouché et sur un coup de temps, on avait la capacité de changer, de, de faire la cohabitation. La France a eu sa cohabitation après beaucoup d'années de pratique démocratique. Nous, deux ans après, on avait, on avait déjà parlé du laboratoire démocratique, on avait déjà eu la cohabitation. À l'époque, déjà, c'était quelque chose. Et avant même ça, même quand il y avait eu, quand al Shabaab avait accepté à l'époque de de, de, de, donner le pouvoir aux civils, c'est vrai, ce n'était pas une alternance en tant que tel, mais déjà nous, on euh, on avait. Ça, c'est pour euh, parler de l'expérience du Niger dans l'alternance. On avait ces expériences, oui. Et ces expériences aussi. Mais après, il y a eu des coups d'État. On a vu que beaucoup, euh, certains régimes, en tout cas démocratiques, hein. ont été renversés par des coups d'État. Euh, donc du coup, la question revient forcément. Vous savez, le coup d'État, ce n'est pas seulement au Niger. Nous aussi, c'est la pratique. À force de, de, de, de, faire des élections, d'avoir des coups d'État, ça a fait aujourd'hui que les Nigériens est devenus, sur le plan démocratique un peuple un peu mieux. Regardez aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, même si tout le monde n'est pas spécialiste de la politique, mais on pense que les gens sont assez mûrs pour distinguer le bien Maintenant, cette rencontre qui a eu lieu à Niamey, mm. c'est vrai pour l'Afrique, c'est quelque chose parce que c'est un continent qui jusqu'à justement est-ce que ça peut avoir un impact quelconque Est-ce que ça peut changer Ça peut euh, des, euh, réunions en Afrique contribuer Des réunions en Afrique, au Niger, dans le monde, il y en a toujours eu. Quand vous par exemple les Arabes, c'est toujours des réunions, mais dès qu'ils quittent, chacun met dans les tiroirs. Ou, en Afrique aussi, il y a toujours ce genre de réunions. Aujourd'hui, si le président dit qu'il à l'époque, rappelez-vous de l'histoire de, de, Tanja, mm. il avait dit à tout le monde qu'il n'allait pas se représenter, qu'il n'allait pas changer de conscience. Mais quand il a voulu, quand ça lui a enchanté, il l'a fait. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas contraignant. Pour vous, cette rencontre n'aura pas d'impact Ce n'est pas contraignant. Bien. Voilà. Euh, euh Maïmouna euh, cette rencontre à Niamey, en tout cas sur l'alternance politique, Roufaï euh, soulève que c'est une, c'est certes une, grande rencontre, mais en tout cas sa portée reste, reste à être appréciée. Avant de répondre à ça, en fait, j'aimerais souligner que les trois présidents, anciens présidents qui étaient au niveau donc euh, de cette rencontre. Quand on prend, on regarde par exemple Force Oglo, quand on regarde Good Luck Jonathan, on regarde également, oui, oui, on regarde également Maman Ousmane. Donc pratiquement ces trois présidents, quand on, ces trois anciens présidents, quand on les regarde, ils ont un lien en commun. C'est quoi Ils ont tous, en tout cas, organisé des élections où ils étaient des présidents en exercice, organisé des élections et ensuite les perdre. Donc, ça veut dire tout simplement que pour eux, moi je me vois que c'est des démocrates. Parce qu'ils ont organisé, ils ont perdu les élections et ils ont laissé, ils ont, ils ont passé la main. Hmm. Euh, quoi qu'on dise, c'est, ils ont en tout cas montré euh, qu'on peut bel et bien organiser des élections et perdre les élections et les autres euh, euh, peuvent, peuvent voir en eux des exemples à suivre. Oui, mais moi je me dis que les, ce serait très difficile aujourd'hui dans ce contexte-là que peut-être les présidents aussi se disent que bon, je, je veux organiser des élections, perdre ces élections ça sera un peu. Ça, ça, <laughs> on, a, a, eu un, dirigeant au Niger qui a dit il faut être con pour organiser les élections au Niger et, les perdre. le président Issouf dit que moi je vais partir. Sauf que, précision précisons que pour le cas du Niger, le président oui. est en fin de mandat, et, il va plus se représenter. Il, y a oh, quelqu'un d'autre qui va, qui va, prendre. moi je pense que ça dépend de la culture démocratique de. de il est en fin de mandat, mais ce qu'il faut se poser aussi, euh, c'est vrai, il va passer la main à son successeur. Mm. mais dans quelles conditions Il faut d'abord organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Mm. C'est ah. ça. Et ensuite, quelle richesse aujourd'hui son successeur, lui, il va laisser à son successeur et le peuple nigérien. C'est des questions aussi qu'il faut se poser. Hassan Boukar, pour terminer avec vous cette rencontre du NDI. Je pense que euh, peut-être que du point de vue de la réflexion, c'est quelque chose euh, d'important comme euh, Raphaël a dit. Normalement, euh, il n'y a pas à faire du tambour autour de ça. C'est des textes c'est des législations dans les pays. Il faut simplement les respecter. Mais on voit que dans la pratique, ce n'est pas évident ce n'est pas évident. Et du coup, aujourd'hui, quelqu'un comme le président Issou, il est presque présenté comme un champion ou une exception, euh, puisque lui dit déjà j'ai fini et je m'en vais, alors qu'autour de lui, Alassane Ouattara laisse encore planer de doute, on ne sait plus. Euh, son ami, quelqu'un qui est proche de lui, le Guinéen Condé, alors lui, on a l'impression qu'il va tout droit vers euh, un changement constitutionnel, etc. Et donc, du coup, ce qui est normalement évident, euh, à la fin, on s'en va. Papa a appelé l'épisode de, de au Niger, où mm. le président a dit je m'en vais, mais finalement, on sait ce qu'il en a été. Donc, du point de vue de la réflexion, aujourd'hui, peut-être réunir des experts, discuter sur, mais pourquoi finalement, à la fin, on ne respecte pas les règles Pourquoi on veut les changer Du point de vue de mm. la réflexion, c'est peut-être quelque chose d'important. Mais au-delà, vous savez que la limitation des mandats est valable là où vous n'avez pas un système démocratique, un système électoral assez clair, et transparent et lucide. Si vous avez aujourd'hui un système très clair mhm. qui permet simplement à celui qui choisit, celui qui est aimé par la communauté d'être président plusieurs fois, normalement ça ne pose pas de problème. vous avez plusieurs pays mhm. dans lesquels vous n'avez pas de limitation des mandats. Mhm. À, la fin d'un mandat ou de deux mandats, parfois vous êtes épuisé par les affaires d'État, vous êtes en situation de vous partez sans qu'il n'y ait une obligation de, de, fin de mandat. Mais en Afrique aujourd'hui, le premier problème c'est que quelqu'un qui est au pouvoir contrôle le système électoral. Et donc, s'il veut, il peut faire comme Paul Bia. Vous restez, vous perpétuez, vous organisez toujours, sachant qu'à la fin vous gagnez. Vous pouvez faire comme Bongo. Vous, vous faites, sachant bien que vous êtes toujours le seul à gagner. Et donc, finalement, finalement, dans ces pays, et donc vous êtes, vous vous dites, s'il n'y a pas euh, une barrière légale pour dire au bout d'un moment ça suffit et donc vous aurez quelqu'un qui sera un chef traditionnel. Et donc c'est pour ça que c'est important euh, de, pour, que ces barrières soient là. Mais le fait de dire oula arrêtez, moi j'aimerais bien que le président il se montre l'exemple en allant, en allant parler à son ami Condé. Est-ce que vous posez aussi la question que Memono Diado posait, dans quelles conditions ces élections vont être organisées et quelles richesses vont, être laissées Évidemment, si vous le faites à la, à la Kabila, vous partez pour rester Ça pose aussi des interrogations. donc, à, moi, à je bien. c'est quoi à la Kabila, c'est-à-dire que vous organisez des élections pour mieux rester. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là officiellement, mais on sait que vous êtes là, vous ne bougez pas. Comme l'a dit Abba, en termes de réflexion, c'est bon. La réflexion qu'il faut se poser, pourquoi c'est à la fin qu'on a toujours l'envie de, de, continuer. Regardez, euh, comme, le président euh, Moussé, C'est la fin du forum de la presse de, ce soir, Rufai Dandoa euh, Désolé, nous n'avons plus le temps, Rufai, c'est fini. Nous étions accompagnés de nos amis euh, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Rufai Dandoua, journaliste freelance et Memouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara. Présentation à Lassane Pouzi Mamadou, euh, la technique assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes et en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes samedi et dimanche le forum en Hausa et en Zarma sur l'enseignement des langues locales Alex